forum the forum, le forum du studio Kalamkou the forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du the Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Messieurs, dames, euh, bonsoir. Il est 18h passé de 15 minutes. Euh, merci d'être à l'écoute euh, du studio Kalangu à la présentation Raïla Toussoumana. Cette page horaire est consacrée au forum du studio Kalangu, un espace d'échange avec des invités. Dans le respect mutuel, le forum du studio Kalangu reçoit des spécialistes ou des personnes bien indiquées pour apporter des réponses aux préoccupations quotidiennes des auditeurs sur les questions d'actualité ou de société qu'il se pose régulièrement. Notre thématique de ce soir est intitulée Ramadan et économie. En effet, la communauté musulmane a entamé le samedi 27 mai dernier le ramadan qui durera 29 ou 30 jours selon la situation lunaire. Ce mois de ramadan est considéré comme le mois de la charité. Si le ramadan est un temps particulier de dévotion, il s'agit aussi d'un temps de forte dimension communautaire accompagné par certains excès. Ce mois de Ramadan représente également une période de hausse de la consommation pour les musulmans pratiquants et donc des dépenses alimentaires des ménages. Comment doit-on dépenser pendant le mois de Ramadan pourquoi tant de gaspillage Quel apport pour l'économie du pays Pendant ce mois de dépenses, ce sont entre autres à ces questions que nous allons tenter d'y répondre ce soir avec nos invités. Oustaz Abdel Fattah Mahmoudou, prédicateur, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Mamman Nouri, président de l'Association des défenseurs des droits des consommateurs ADDC Wadata. Bonsoir. Bonsoir et M. Soli Abdoulaye, économiste. Bonsoir. Bonsoir, madame. Je le disais tout à l'heure, au Niger, le mois de Ramadan est un mois qui appelle à la consommation. Durant ce mois, les musulmans quotidiennement ne doivent ni boire ni manger en plus d'autres abstinences et ce jusqu'à de l'aube jusqu'à la tombée de la nuit. À l'heure de rompre le jeûne, en plus des produits que nous consommons régulièrement, certains ménages ont tendance à gaspiller. Oustaz, je me retourne vers vous. Comment doit-on se comporter pendant le ramadan s'agissant des dépenses de la rupture du jeûne Alhamdulillah Rabbil wa ala mursalin, Muhammadun huda la conduite du musulman, c'est le Coran, c'est les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa Donc le musulman est guidé par le Coran et par la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, euh, le Coran nous dit Kulu la Mangez et buvez et ne commettez pas d'excès. Dieu n'aime pas ceux qui commettent l'excès. Donc on peut manger, on peut boire et il faut éviter d'exagérer. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas ceux qui abusent dans ce qu'ils font. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam, du point de vue manger, il nous a dit de manger, de boire, de nous habiller et d'éviter la vantardise. Et ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit encore Ne soyez pas dépensiers. Que ceux qui sont dépensiers sont les frères du démon. Pour avoir posé un acte de dépense ostentatoire, toi qui auquel on demande de, de, euh, ressembler à un ange, automatiquement, tu vas aller et dans le rang des démons. Vous voyez que les gens agissent par ignorance ou par complaisance. Donc, de ce fait, le messager sallallahu alayhi wa sallam nous, nous a recommandé que pour manger, il faut classifier le ventre en trois parties. Une partie pour l'alimentation, une autre partie pour la boisson et la troisième partie pour la respiration. Vous voyez, pour toujours nous demander d'éviter le gaspillage. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous demande, une fois qu'on finit de manger, de lécher les doigts. Ensuite, le messager sallallahu alayhi wa sallam était chez lui une fois, dans la cour de sa maison. Il a ramassé une croûte de pain. Il l'a nettoyée, il l'a mangée. Et une autre fois encore, il était dans la rue. Il a ramassé une date. Il dit, par crainte que cette date ne soit de l'aumône, j'allais la manger. Et malheureusement, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui Les musulmans eux-mêmes qui exagèrent jusqu'à aller verser les autres aliments dans les poubelles. Ce n'est pas du tout recommandé. Avant de passer à tout ceci, Allah subhanahu wa ta'ala encore dit Wa zal qurba haqqahu wal miskin wabna sabil wa la D'abord, vous avez des parents. Ils ont des droits. Il faut penser d'abord à eux. Donnez-leur, vos proches parents, il faut penser à eux. Vous leur donnez quelque chose. Wa les pauvres. Au lieu que chez toi seulement, qu'on vienne euh, égorger ou bien avoir euh, une tasse de salade, une autre tasse de poisson brisé, voilà, les, les, les, les mains sont là, multiples, que toi-même, à toi seul, tu ne peux pas manger. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ah, il faut penser donc aux Au, au, au, point où le messager a dit, sallallahu alayhi wa sallam, quiconque a un voisin affamé et que lui se gave le ventre pour aller se coucher, il n'est pas croyant. Tout, tout cela nous suffit pour être modeste dans ce que nous faisons. Et malheureusement, les gens, ils suivent leur passion. Donc, euh, ça veut dire que ces excès-là impactent beaucoup sur la qualité du jeune. Oui. D'abord, quelqu'un auquel on demande d'être modeste, qui ne l'a pas fait. Au point maintenant qu'on te demande qu'avec le jeune, d'être généreux, de penser aux autres. Et, et, la personne a refusé, au point où elle a été taxée d'être démon. Est-ce que maintenant le jeune a encore de la valeur Merci Oustaz. Euh, on remarque que chaque année, c'est le même scénario. Les plis flambent à l'approche et pendant tout le mois de Ramadan. C'est pourquoi, en prélude à cette période, le ministre du Commerce Sadou Sedou a visité les boutiques et les magasins des opérateurs économiques pour s'enquérir de la disponibilité des produits de première nécessité. Il les a aussi exhortés à rendre les prix des produits de première nécessité accessibles aux consommateurs. Nous nous sommes entretenus avec euh, Damara Diakouba, président des importateurs et exportateurs du Niger, quant à la disponibilité, la tendance des prix des produits de base. Nous nous efforçons quand même euh, à approvisionner les marchés puisque certains produits que vous voyez euh, quelquefois sur le marché nous viennent euh, vraiment de loin. Donc les gens, ils s'organisent, font des efforts euh, pour quand même essayer d'approvisionner d'abord, puis ensuite maintenant de vraiment maintenir le prix. Tout le monde sait que nous passons des moments très très difficiles sur le plan économique. Donc mieux vaut faire une petite marche et vendre que de se retrouver quand même après le carême avec les produits en main. Nous avons rencontré les détaillants, comme on les appelle, mais le problème, vous savez, il se pose surtout quelquefois au niveau des pays qui vendent au détail dans les quartiers. C'est eux qui n'arrivent pas à suivre donc, les mots d'ordre que l'autorité donne. Mais sinon, en fait, nous faisons vraiment de notre mieux, même s'il y a hausse, pour le moment, elle n'est pas criarde. Lors des passages du ministre, nous lui avons quand même posé quelques difficultés, par exemple par rapport à la pomme de terre. Donc la pomme de terre, euh, le problème que nous rencontrons, c'est sa conservation. Il y en a qui, pour nous faire manger cette pomme de terre-là pendant le mois de carême, ils vont jusqu'à perdre la moitié de leur dépôt ou de leur entrepôt. Voyez Donc vraiment, nous avons demandé des trucs un peu plus adéquats donc pour entreposer et attendre les périodes telles que celle-là, qu'on appelle les périodes de soudure. Et je vous dis que donc certaines augmentations ne sont pas liées à la réalité au carême, elles sont juste liées à la saison. Plus le produit est rare, donc plus il est recherché loin, et plus il coûte un peu plus cher. Et moi, je pense que la population aussi a un peu compris cela. Donc, euh, Monsieur Soli, euh, avec toutes ces dépenses alimentaires qu'occasionne euh, le ramadan, quel impact cela pourrait-il avoir sur l'économie du pays Donc, je profite d'abord pour euh, souhaiter un bon ramadan, Moi de ramadan pour l'ensemble de vos auditeurs et pour vous-même ici qui êtes à la radio et qui font un travail vraiment excellent de sensibilisation et d'éveil de conscience. Alors, pour répondre à votre question, c'est tout à fait normal. Tout à l'heure, quand euh, vous avez posé euh, la question à notre frère Ostaz, vous avez parlé effectivement euh, de gaspillage. Ça veut dire que pendant le mois de carême, il y a une augmentation des besoins en produits divers que ce soit du sucre, que ce soit de la viande, tout ce que l'on consomme, en tout cas, il est bien euh, remarqué que pendant le mois de carême, euh, ces produits connaissent une augmentation euh, vertigineuse. Et qui dit augmentation dit plus de débours, c'est-à-dire vous enlevez plus d'argent dans votre porte-monnaie. Si vous enlevez plus d'argent dans votre porte-monnaie, vous le versez dans le circuit de commerce. Si vous le versez dans le circuit de commerce, donc ça va avoir un impact sur l'économie. C'est-à-dire l'économie va euh, se ressourcer, avoir plus de moyens, n'est-ce pas, d'échange qui, la monnaie. Donc naturellement, quand il y a une hausse de demande, il y a une hausse d'offres et il y a un dynamisme économique qui est là, donc euh, qui permet à beaucoup de gens de se retrouver. Est-ce que vous avez une idée euh, des années précédentes euh, À quelle hauteur à peu près euh, cela augmente Non, particulièrement, je n'ai pas une idée parce que malheureusement pour notre pays, c'est des activités qui doivent être menées par l'Institut national des statistiques, n'est-ce pas Pour que arrive tant bien que mal à savoir quel est l'effet ou l'indice d'augmentation des dépenses des ménages chaque année pendant le mois de Ramadan et autres euh, euh, euh, moments, par exemple le mois de Tabaski, enfin la période de Tabaski. Aujourd'hui, aujourd'hui, eh, eh, eh, l'Institut national de statistique ne peut pas vous dire avec exactitude ou avec approximation le nombre de moutons qui sont égorgés au Niger pendant la période de Tabaski. Et c'est de la même façon que on ne peut pas aujourd'hui vous faire une estimation de ce que représente l'impact sur l'économie du mois de Ramadan par rapport à, euh, euh, aux besoins des, ménages. D'accord. Oustaz, encore vous. Euh, selon vous, pourquoi est-ce que les ménages, s'adonnent ça donne à, autant de gaspillage alors que ce mois est marqué sous le signe de la modération Parce que non seulement on ne se conforme pas à ce que le Coran a dit et à ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam aussi a dit. Vous voyez, Anabi Yusuf alayhi salam, il était en Égypte et c'est lui qui gérait le magasin des céréales. Chaque jour, il ne fait que gêner. L'on lui a demandé, tu as suffisamment à manger. Et te voilà, chaque fois, tu ne fais que gêner. Il dit, c'est pour ne pas oublier les pauvres. Est-ce que les dépenses que nous engageons, on les fait pour mériter la satisfaction de Dieu ou pour prouver aux gens que nous sommes nantis C'est là où se pose le problème. Une fois que nos actes sont posés, il commande pour mériter la satisfaction de Dieu, les choses vont aller normalement. On sait que les produits phares restent les mêmes euh, chaque année, les dates euh, traditionnellement associées au ramadan, le sucre en carreau, le lait, le jus et autres euh, céréales comme le mil. Problème comme chaque année, les marchands profitent de la forte demande pour augmenter les prix. Mais cette fois-ci, les prix des produits sont restés inchangés. Les commerçants que nous avons rencontrés au marché de Yantala ici à Niamey qui nous ont fait cette déclaration. Je vous propose de les écouter le prix de la bende on n'a pas augmenté. C'est comme au devis qu'on vend maintenant. C'est à 2400 avec os le sonzo, 3000 francs donc, euh, est-ce que vous avez l'intention d'augmenter les prix ou pas Non, non, on n'a pas l'intention d'augmenter. Maintenant, on, arrête le prix au début. Tu sais, que ça dépend le prix des animaux. Si c'est augmenté, nous-mêmes, c'est obligé d'augmenter. Donc, euh, si ce n'est pas augmenté, c'est le même prix. Nous n'avons pas augmenté les prix de nos produits, au contraire. Par exemple, les sacs de riz de 25 kg, nous les vendons à 10 000 alors qu'avant c'était à 11 000 ou 11 500 francs CFA. Le paquet du sucre était vendu à 1 000 francs. Aujourd'hui, c'est à 800 francs. Quant au paquet de lait, l'Axtar, il coûtait 1 700. On a diminué le prix pour le ramadan. On les vend maintenant à 1 500 francs. Nous avons baissé les prix tout simplement parce que c'est les grossistes aussi, ça a baissé. Vous venez là d'entendre le boucher, le commerçant détaillant que nous avons approché au marché de Yantala. À leur tour, voici ce qu'en pensent les clients. Les prix sont à la hausse, hein. vraiment. Donc, je euh, n'ai pas encore acheté jusqu'à présent. Oui, j'ai un peu demandé, j'ai parcouru, j'ai fait le tour, je suis en train de demander. Donc. Et le lait, j'ai demandé juste le prix pour le kilo. C'est à 1200 euh, francs alors que c'était à 1100 francs. Bon, donc, chez eux aussi, le prix a augmenté. Donc, euh, ils ont aussi augmenté pour euh, vendre en détail, c'est cela. Bon, vraiment, les articles, on peut dire qu'ils sont chers. Hein. J'ai payé des couscous, maca et de sucre. Donc, vraiment, c'est un peu cher par rapport au mois passé, quoi. Bon, j'ai pu payer le kilo à 650. Donc, avant, avant c'était 600. L'appel que j'ai à lancer, d'avoir pitié aux pauvres, quoi. Donc, faut pas profiter du mois de carême pour mettre les choses très chères, quoi. Vous venez là d'écouter l'avis des commerçants et des clients s'agissant des prix des produits de base. Monsieur Nouri, euh, vous qui êtes euh, du côté des consommateurs, qu'avez-vous constaté ce mois-ci sur les prix pratiqués sur les marchés Je joins ma voix à celle euh, des autres pour vous féliciter, remercier en tout cas pour cet effort que vous faites pour sensibiliser, informer et non seulement les consommateurs mais aussi les autorités sur l'état de lieux de la question de la consommation des produits de consommation, par, surtout pendant ce mois béni de Ramadan. Par rapport au prix, eh, bon, on a entendu un peu les commentaires eh, des commerçants, celles des consommateurs, eh, c'est qu'il y a toujours eu cet écart. il y a eu toujours cet écart, le commerçant dit qu'il ne diminue qu'il n'augmente pas, le consommateur constate sur le terrain. Mais ce qu'il faut euh, nuancer, euh, c'est que c'est une chaîne de valeur euh, de l'importateur au grossiste, demi grossiste, jusqu'au détaillant. Et le l'importateur ou grossiste, il a son prix. Le demi-grossiste, il a son prix, avec sa marche. Les détaillants qui achètent peut-être au niveau demi-grossiste, la, euh, son prix de revient, sa marge bénéficiaire. Par addition de toutes les marges bénéficiaires au niveau de chaque chaîne et de chaque point, vous allez constater qu'en tout cas le prix ne peut qu'être à la hausse. Ça c'est évident. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, il y a des importateurs grossistes qui font le détail. Or, quand ils font le détail, ils ne vendent pas au prix détail des quartiers. Ils vendent au prix des détails, prix de revient plus quelque chose. Or, ça, à comparer, en tout cas aux détails qui sont dans les quartiers, il y a un écart. Donc là, c'est ça aussi la réalité, puisque le détaillant du quartier n'achète que, par exemple, pour le sucre, quelques kilos. Pour l'huile, ne peut acheter peut-être un bidon, deux bidons. Pour la farine de blé, là aussi, ne peut acheter que euh, quelques cartons. C'est la même chose pour les pâtes alimentaires. Alors, ce qui fait que de facto, du fait en tout cas de cette chaîne de valeur, le consommateur qui achète en détail dans le quartier paye le plus cher. Et celui qui achète dans les, quartiers, c'est le petit consommateur qui ne peut pas aller acheter en gros ou une certaine quantité sur le marché. Donc, et là, la question qui se pose réellement, est-ce que pendant ce mois béni de Ramadan, on a réellement une idée de penser aux consommateurs les plus pauvres Puisque c'est de ça qu'il s'agit. Puisque jusqu'au moins grands consommateurs, les gens ont relativement des moins pour aller faire un approvisionnement au marché. Euh, parfois même chez l'importateur. Chez Mais par contre, le petit consommateur qui n'a pas assez de ressources, lui, il paye au quartier. Il paye plus cher que n'importe qui. Donc là, il y a une question qui se pose. Est-ce qu'on doit continuer comme cela Est-ce que réellement on profite de ce mois de béni de Ramadan pour aider le pauvre Puisqu'il y a cette question qui est là. Le pauvre ne peut, acheter, ne peut pas acheter, en, tout cas chez l'importateur... Ce n'est pas possible, il ne peut pas le faire. Donc ça, c'est un aspect. Maintenant, le deuxième aspect, c'est qu'il faut distinguer deux catégories de commerçants de façon globale. Il y a ceux qui importent, qui sont en zone urbaine, et il y a ceux qui achètent, qui partent en zone rurale. Donc, certainement, le coût des facteurs, en tout cas, le coût des transports, le coût, le, des charges, en tout cas, doivent, s'additionner. Ce qui fait que le consommateur rural paye encore beaucoup plus cher que le consommateur, en tout cas, urbain. Il y a ceux qui font la spéculation, véritablement. Et c'est une période très particulière. C'est une période où tout le monde consomme tout, si on peut le dire. Donc la demande sur tous les produits augmente, pratiquement tous les produits. Quand vous prenez un produit comme la pomme de terre, ce n'est pas tout le monde qui s'intéresse à la pomme de terre. Mais en période de carême, tout le monde court chercher la pomme de terre. Même si par ailleurs, la saison pluvieuse qui coïncide avec euh, ce temps, ce temps de, de, mois venir de Ramadan. En tout cas, le stock national ou la production nationale n'existe plus. Même si elle existe, elle n'est que relative. On importe d'ailleurs, et du fait qu'on importe, il y a en tout cas des coûts évidemment, il y a surtout les faux frais qui s'additionnent, en tout cas à cela, et qui font que le prix certainement va monter. C'est la même chose pour la tomate qui est de plus en plus rare puisque c'est prisé par euh, pratiquement le Nigeria qui rachète ici chez nous, qui, est, le Nigeria qui amène ça au, Nigeria, particulièrement la société d'Angoté. Donc, euh, tous ces paramètres-là font en sorte que les prix des produits pendant le mois de Ramadan ne peuvent que monter. La demande est forte, l'offre souvent s'amenuise, et du fait que l'offre s'amenuise, il y a la compétition auprès des consommateurs qui généralement ne négocient pas parce que les prix ici chez nous, ce n'est pas des prix affichés c'est des prix souvent qui se négocient. Et pendant, quand, quand le, les produits se font rares, malheureusement, les gens ne négocient pas, ils achètent. Donc, il y a tous ces paramètres. Est-ce que spécialement vous avez fait un tour euh, sur les marchés ici à Niamey, à l'intérieur du pays, pour euh, constater euh, à quel point ces prix-là ont augmenté Ici à Niamey, c'est relativement acceptable en termes de disponibilité de produits de consommation. Parce que même le mille, qui se trouve ici, il n'y en a pas ça à l'intérieur du pays. Dans certaines localités, ça n'existe même pas. Il n'y en a pas. Donc, quand vous prenez le mil qui se vend à peu près à 27 000 francs le sac de 5 kilos, à l'intérieur de localités qui achètent ça, le sac de façon globale 33 000, 36 000. 33 000, 36 000. Alors, euh, la TIA autour de 1000 francs. Ici, c'est autour de 750 francs. Ici, à Niamey. Donc, quel consommateur en zone rurale a les moyens pour acheter le mil quand on sait que la saison, la récolte 2016 a été déficitaire, quand on sait que certaines localités n'ont même pas coupé un épi, quand on sait que les gens n'ont pas assez de ressources, n'ont même pas de l'argent pour acheter cela. Donc il y a cela. Quand vous prenez euh, euh, le sucre, j'ai entendu tout à l'heure quelqu'un disait que le sucre c'était à, 600 francs, à 700, ils, vendent ça à, 600 francs. Bon, ça fait pas 3-4 jours que c'est revenu à 600 francs ici à Niamey. Ça atteint jusqu'à 750 francs le sucre granulé. Donc, ça dépend en tout cas du stock national de la disponibilité de ce produit. Ce que j'ai constaté, euh, ce que nous avons compris, à un moment, le sucre, il n'y en avait pas en grande quantité. Il y a en tout cas la cargaison qui est arrivée, maintenant qu'elle est arrivée, le prix a chuté. Donc ça, c'est un aspect. Mais à l'intérieur du pays, le kilo coûte 750 francs jusqu'à présent du sucre granulé. Le paquet ici, en détail, chez le, boutiquier du quartier, ça, se vend à 1000 francs au lieu de 800 francs, euh, comme l'autre a dit. C'est les boutiquiers qui partent chez les, gens qui sont au marché, qui achètent et qui partent vendre. Donc c'est à 1000 francs. Celui qui veut acheter, c'est à 1000 francs. Donc c'est même pas tout le monde qui peut acheter le paquet. C'est peut-être quelques carreaux qui peut acheter. Quand vous prenez l'huile, un moment, le, le, bidon de 25, 25 litres, ça coûtait 16 500 francs. Au tout début du mois de Ramadan, ça atteint jusqu'à 19 500 francs, ici à Mais imaginez quelqu'un qui achète ça, il, il amène ça à l'intérieur du pays. Ce qui est de facto, le prix du litre va être autour de 1000 francs. Ça, c'est évident, évident. Donc, tous les produits que vous allez constater sont en net hausse, particulièrement à l'intérieur du pays en zone rurale. Donc, il y a une, une année très particulière. Euh, l'année 2017, le mois Ramadan 2017, c'est le mois le plus cher. En tout cas, de toutes les années, c'est le mois le plus cher. Ça, c'est La deuxième chose, c'est le mois où les consommateurs ont peu d'argent. Sinon, certaines localités n'ont même pas du tout ça. Donc c'est ça qu'il faut peut-être euh, euh, euh, retenir par rapport à la question du pouvoir d'achat des consommateurs parce que le consommateur n'a pas de, beaucoup d'argent pour acheter et aussi il n'y a pas de disponibilité de produits quand, on constate que le mil, le mil ça nous vient du Burkina. Le maïs, on n'en produit pas, ça, ça nous vient aussi du Burkina et du Mali. Donc pratiquement, le produit phare, le mil, ça n'existe pas. Et puis ce qui a encore crevé, en tout cas, le, prix de ces produits, c'est que c'est à ce moment-là que le gouvernement a, songé à renouveler le stock de mil pour vendre ça sous forme de, sous, sous, sous, forme de semences et sous forme de dons aux consommateurs. Donc c'est sur le stock, sur le marché, que le gouvernement achète. Donc du fait qu'il achète sur le marché, ce qui est sûr, ça va créer la rareté, voire carrément l'absence de ce produit dans certaines localités, et voire carrément une augmentation du prix de ces produits sur le marché. Et c'est malheureux. Il n'existe pas une cohérence parfaite entre le carême, ce que veut le consommateur, et ce que prévoit le gouvernement du Niger. Ça n'a pas de sens. Le système d'information sur les marchés agricoles a relevé ce mois-ci une hausse significative et progressive des prix des céréales de base sur les marchés agricoles au Niger. Les prix ont atteint des niveaux dépassant les tendances normales saisonnières, notamment celui du mille, qui se situe entre 23 500 et 33 500 francs sur tous les marchés des chefs-lieux de département. Abdoulaye. Euh, dites-nous, selon vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette euh, augmentation des prix L'économie, madame, comme euh, toute science, a des règles et des lois. Et ce que nous observons pendant le mois de carême, particulièrement la hausse des prix, ce n'est que la manifestation effectivement d'une de ces lois de l'économie, qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. Comprenez Le prix en économie, il est fixé par la rencontre de ces deux éléments. Quand il y a une demande, il y a une offre, donc ils ont une évolution contraire. Donc là où ils se croisent, c'est ce niveau de croisement qui est le niveau de, du prix auquel on doit payer ce qui a été offert, qui a rencontré donc euh, euh, l'assentiment de la demande. Alors, il se trouve que s'il y a un équilibre, donc une situation avant le carême. Il y a un équilibre où les gens euh, euh, demandent, il y a une offre qui est là, il y a une demande, il y a une offre qui est là. Mais avec le carême, on constate automatiquement une hausse de la demande. Donc l'offre va réagir de deux manières. Ou elle reste stable, la demande a augmenté et l'offre est là, elle est stable, naturellement, ça va changer le point d'équilibre que je vous ai parlé tout à l'heure. C'est l'expression d'une augmentation de prix qui va se situer donc à un niveau bien déterminé. Le deuxième aspect, la demande étant augmentée, l'offre va suivre pour l'augmentation. Là aussi, nous ne serons pas au même niveau d'équilibre en temps, on va aller à un autre équilibre, donc à un autre point qui va fixer donc le prix sur le marché. Dans l'un ou dans l'autre des cas, c'est tout à fait naturel qu'il y ait cette augmentation des prix. Maintenant, le problème qui se pose, est-ce que les commerçants face à cette situation d'augmentation ou la hausse de la demande, est-ce qu'ils respectent effectivement le niveau d'équilibre de prix qui doit y être sur le marché Malheureusement, non, ils vont au-delà. Et c'est là le reproche qu'on peut le faire. Qu'on peut le faire. Ce n'est pas parce que le, le, prix a augmenté, non, c'est parce que le prix a augmenté d'une manière exagérée. C'est ça. Sinon, il n'y a pas de problème. C'est tout à fait logique et normal dans une économie quand il y a une augmentation de demande, qu'il y ait une augmentation de prix parce que l'équilibre change. Voilà donc ce que je peux vous dire. Et selon l'Institut national de la statistique, euh, le niveau général des prix à la consommation a augmenté de 0,6% entre le mois de mars et d'avril 2017, soit un taux d'inflation de 2,3% comparativement à la même période euh, de l'année dernière. Pensez-vous que les prix vont continuer à à augmenter à, cette allure-là. Tant que cette logique va continuer, c'est-à-dire la logique, bon, vous savez, hein, au, tout début du mois de carême, il y a cette effervescence chez les, les jeûneurs, n'est-ce pas, de chercher à, à, faire de l'accumulation, comme tout à l'heure Ostad a dit, certains ne font pas de, de, mise en garde par rapport à leur euh, poche. Ils ne font que dépenser, donc on va à l'extravagance. Mais plus on va dans le temps, plus d'abord votre économie en train de s'épuiser, plus vous n'avez pas besoin, parce que le besoin qui a été créé par ce manque que vous, ressentez chaque jour, ce, besoin besoins Donc, plus on va dans le temps, plus vous demandez moins. Et naturellement, quand vous demandez moins, vous changez l'équilibre. Donc, la demande étant en baisse, naturellement, elle va rencontrer une offre euh, en baisse, ce qui va diminuer le prix c'est tout à fait normal. Donc avant, dès qu'on va dans la, première, la, dernière décade, du, enfin pas la dernière, le dernier jour de la première décade, on va constater une stabilisation d'abord. Euh, deux semaines après, on va voir que les prix vont commencer à chuter. Exactement. Et selon le système d'information sur les produits agricoles, euh, la diminution du, du NERA fait partie de ce qui augmente euh, les prix. Est-ce que vous êtes d'avis La valeur du NERA aujourd'hui est, le coût du au Nigeria ne fait que favoriser normalement, en tout cas, les consommateurs eh, eh, nigériens. Parce que, étant donné que vous avez eh, du franc CFA que vous changez en Naira, si jamais vous partez au Nigeria pour payer, donc vous avez plus de produits avec moins de quantité de franc CFA. Quand vous allez échanger votre franc CFA, vous avez plus de, monnaie en Naira, donc plus de produits que vous pouvez acquérir et amener au Niger. Donc, euh, euh, euh, le taux aujourd'hui de la NERA favorise le consommateur nigérien. Donc, Monsieur Nouri, que faites-vous pour aider à faire baisser les prix pour les consommateurs Nous, tout ce qu'on peut faire, ou ce qu'on a fait, en collaboration bien entendu avec les, commerçants, le ministère du Commerce, la Chambre du Commerce, une réunion d'information et de sensibilisation. Généralement, à euh, l'occasion de chaque mois, de mois béni de Ramadan, euh, on demande à chaque syndicat sectoriel de commerçants de proposer un prix des produits que les membres de ces syndicats la vendent. Donc euh, cette année, c'est une année très particulière, on n'a pas demandé ça, mais on a demandé une diminution ou une stabilisation des prix, sans augmentation. c'est vraiment dommage, pourtant ça aide. Ça aide pourquoi Parce que tout simplement, le fait de donner un prix, euh, c'est comme si c'est un engagement. Étant tant que c'est un engagement, donc euh, on peut suivre pas à pas le syndicat sectoriel qui a proposé le prix. Quand je prends l'exemple de la viande, euh, quelqu'un disait qu'il vend ça à 2400. C'est vraiment aberrant. C'est aberrant quand on sait que le prix de bétail chez nous euh, même si les bétails sont de plus en plus un peu loin de, nos, centres urbains. Euh, mais cette année, c'est aussi année particulière. Euh, le prix des bétails est bas hein, du fait que la le coût de la NERA en tout cas a, tellement diminué. À un moment, la NERA, avec 1000 francs, vous avez 750 NERA. Actuellement, c'est 650, soit une baisse de 100. Ce qui fait que les gens du Nigeria qui, qui viennent en compétition sur nos marchés avec nos bouchers, qui achètent très cher nos bétails, ils sont plus ici au Niger. De ce fait, donc, c'est un manque à gagner pour le leveurs c'est un manque à gagner en tout cas pour le, producteur local euh, en termes de, en termes de, de, rentabilité des, bétails. Donc, les bétails, il n'y a que les Nigériens qui achètent. Et ça fait très longtemps qu'on qu'on n'a pas vu un bas prix des bétails comme cette année. Et dire que malgré la baisse des prix, parce que un, un mouton qu'on a l'habitude de payer à 100 000 francs, on le paye actuellement à, 60 000 francs. Le, un bœuf qu'on achète, qu'on achète à 500 000 francs actuellement, il ne peut pas dépasser 250 000 francs. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que réellement, le prix des bétails a, a chuté. Du fait que ça a chuté, le prix du kilo doit chuter un moment, il y a même les gens du Nigeria, les bouchers du qui ont commencé à venir ici chez nous, faire commencer à faire l'abattage. Ils ont commencé à vendre le kilo à 1500 francs. Comme ici, les gens sont sournois, ils sont toujours en syndicat bien organisé, ils ont combattu ces gens-là. Ils ont combattu ces gens-là. Les kilos, ils ont commencé à vendre ça à 2000, ensuite ils ont augmenté 2100 francs, ensuite 2200, jusqu'à la veille du mois de Ramadan, c'est à 2200 francs. Mais elle dit que non, non, c'est 2400, ils n'ont pas, ils n'ont pas augmenté regardez-moi comment les choses sont. Et c'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Donc, nous, on fait ce constat pour dire, en tout cas, aux consommateurs, attention, vous pouvez vous organiser. Vous pouvez vous organiser un petit groupe pour aller acheter votre bœuf. Vous pouvez acheter votre bœuf, vous, vous l'abattez, vous avez tous les, tous les produits avec vous et à moindre que vous pouvez partager ce, produit-là, mettre dans le congélateur, découper un petit morceau, mettre dans des plastiques. Comme ça, vous avez peut-être pour 10 jours ou pour, pour 15 jours. Donc, c'est au consommateur de s'organiser, de dire attention, nous pouvons avoir un prix beaucoup, plus meilleur si on s'organise, on, on, paye, en tout cas les bétails, euh, on, fait l'abattage. Ou bien, si on ne peut pas faire ça, il suffit de faire quelques courses. 10 km, 20 km, on va avoir la viande à bas prix. Ça, c'est évident. Donc, il y a cet aspect-là donc d'information, de, sensibilisation des consommateurs pour avoir d'autres alternatives d'approvisionnement qui, existent. Maintenant, en ce qui concerne les autres produits, le mille, c'est vrai, c'est une tradition euh, culinaire qui est là, c'est une tradition culturelle qui est là. Les gens euh, ne peuvent pas euh, s'en passer de ça. Mais il y a d'autres alternatives. L'alternative, c'est la bouillie de farine de blé. D'accord. Oustaz, euh, à vous maintenant, est-ce qu'il y a un comportement que les commerçants, à leur tour, pourraient adopter pour que les consommateurs euh, puissent euh, avoir accès aux produits Exactement, a. Toute notre vie, si réellement on se conforme, comme je l'ai dit, au Coran et au hadith du prophète nous n'allons pas souffrir. On se rappelle encore à Médine, Abdraman Bounaouf, c'est un commerçant. Quand il a eu la disette, donc, il avait des chameaux, il faisait venir des vivres à la cité médinoise. Et les commerçants ont fait ruer sur lui pour venir acheter et aller revendre. Ils ont augmenté le prix. Bon, on va te donner cinq fois le prix. Il dit non, non, je ne vends pas. Que celui qui a acheté mes produits m'a donné dix fois plus, qui est Dieu. Donc, c'est, on n'applique pas l'islam dans nos comportements. Au lieu de vendre ça aux, aux commerçants véreux, non, non, il dit non, non. Lui, il préfère soulager les pauvres. Il ne l'a pas fait. Donc, ici, tel que M. Nour l'a dit, il y a une certaine cupidité chez les commerçants. Et aussi, il y a la malhonnêteté chez les commerçants. Donc, en un mot, tout peut se résumer sur l'ignorance. Ensuite, chez les consommateurs, il y a l'orgueil. Surtout chez nous, là. Pour que quelqu'un refuse d'acheter un produit parce que c'est cher, non, non, c'est quand c'est cher là, moi je vais vouloir acheter pour à M. Nouri que je suis plus nanti que lui. Voilà ce qui nous ramène en arrière. Ou quand toi tu n'arrives pas à acheter, je me moque de toi. Que voilà, même euh, le produit qui se vend à 1000 francs, tu as été incapable de l'acheter. Et tant que nous, on ne refuse pas ce qui est cher, le commerçant qui est toujours occupé de lui, ne fait qu'augmenter le prix. Voilà notre problème. Ailleurs, les gens peuvent euh, euh, refuser d'acheter un produit parce qu'on a augmenté 5 francs. Et ici, chez nous, quand on augmente 100 francs, quand moi j'ai les moyens, je préfère aller l'acheter pour prouver aux autres qu'ils sont des, incapables. Notre problème, c'est ça. Donc, si l'on revient à l'islam, on aura la paix. Mais malheureusement. Là, peut-être que vous avez des conseils, des recommandations à faire euh, aspect économique. Je n'ai pas de recommandations particulières, madame, <clears throat> mais seulement j'aimerais attirer l'attention des uns et des autres sur euh, un aspect que révèle l'économie. En tout cas, on nous a euh, appris que l'économie est amorale. C'est-à-dire Je n'ai pas dit immorale, mais amorale. C'est-à-dire, euh, là où il y a la morale et à l'économie, ils ont deux chemins différents. Vous comprenez Tout à l'heure, je vous ai dit que c'est une loi et elle est universelle. La loi de l'offre et de la demande qui fixe les prix sur le marché. Maintenant, ce qu'il y a effectivement, comme a dit Ostaz, c'est où vous êtes pour le bien de ce monde, où vous êtes pour euh, euh, euh, le bien de l'au-delà, c'est-à-dire la récompense de, de Dieu. Donc c'est ce qui fait que face à cette saleté mondaine, vous préférez tourner le dos pour accepter ce que Dieu vous propose. C'est pour cela un bon musulman, quelqu'un qui a la foi, il n'est pas emporté par cette histoire de hausse de prix. Il sait que c'est une vérité, même s'il y a une euh, euh, augmentation de la demande, il y aura une augmentation des prix, mais il se refuse cela parce que c'est lui qui décide. C'est pas parce que euh, eux, ils vont perdre quand ils vont vendre au prix antérieur. Non, non. C'est parce qu'ils suivent une logique qui est là, mais en refusant de la suivre, vous ne perdez pas voilà, donc c'est ça. C'est parce que nous n'avons pas vraiment une foi assez forte dans notre cœur qui fait que nous suivons cette loi économique pour que dès qu'il y a une augmentation de, la demande, le prix augmente et nous suivons cette logique pour encaisser davantage de l'argent. À vous, Monsieur Nouri, avez-vous quelque chose à ajouter Pour moi, tout ce que j'ai à ajouter, c'est de conseiller le consommateur euh, d'être très prudent, d'être euh, plus organisé. Euh, les gens peuvent s'organiser en tout cas pour acheter des produits qui semblent être chers euh, en détail et vraiment pour permettre ça, ça permet de minimiser les coûts des produits euh, en tout cas par rapport à l'achat. Ensuite, c'est d'éviter le gaspillage. On a parlé du gaspillage. c'est vrai, c'est la tentation. Un jeune homme, il est toujours tenté d'acheter du n'importe quoi. Euh, et c'est à la rupture des jeunes qu'on constate qu'on ne peut pas tout consommer. Il y a une question de, de la solidarité entre les consommateurs. Je crois que euh, quand il y a à côté un consommateur euh, pauvre qui n'a pas assez de moyens comme vous, vous pouvez en tout cas partager l'excédent que vous avez chez vous. Euh, en tout cas, ça va permettre à l'autre aussi de faire une bonne rupture. D'ailleurs, à l'occasion, je, profite de, de, cette occasion pour dire que nous avons l'intention, l'intention euh, de faire euh, pour la première fois au Niger, euh, en tout cas une activité relative au partage d'excédents pendant le mois de Ramadan. Parce que ce partage d'excédents, il n'y a pas que le mois de carême. Quand vous, quand vous voyez même dans les hôtels, comment on fait du gaspillage, souvent on verse, on ne donne même pas aux pauvres. Donc c'est de récupérer l'excédent ou de sensibiliser les gens pour que l'excédent soit partagé au moins avec les voisins qui n'ont pas assez de, de moyens ou même d'organiser en tout cas une petite, euh, des petits comités qui, qui vont ramasser l'excédent pour partager en tout cas aux pauvres. Donc ça, nous avons, Inch'Allah, l'intention, si Dieu nous permet, nous avons l'intention de le faire. Ça va se passer où euh, ça va se passer d'abord ici à Niamey, et peut-être dans une semaine maximum. Un lieu précis euh, non, pour le moment, je ne peux pas donner de lieu précis parce que nous sommes euh, un peu dans l'organisation. Nous sommes avec euh, aussi d'autres partenaires qui, doivent aider, qui doivent accompagner le processus. Donc, euh, ce n'est pas encore étoffé. D'accord, Oustaz, à vous. Et moi, j'attire l'attention de l'État. L'homme, il est ce qu'il est. Si on le laisse à sa guise, il va chaque fois exagérer. Parce que, li l'homme est très attaché au matériel. <laughs> Donc, euh, si l'État dit que bon, les commerçants, allez-y faire ce que vous voulez, c'est fini. Ils vont rendre la vie impossible aux, aux consommateurs. Et que les consommateurs aussi sachent qu'ils le font à cause de Dieu. Quand quelque chose est cher, retournez. Dieu n'a jamais demandé à quelqu'un de faire ce qui est plus fort que lui. Jamais. Mais malheureusement, nous, on fait le forcing. Euh, on retient de ce forum que l'islam a recommandé de manger et de boire sans excès. De s'habiller et de ne pas exagérer. Voilà, chers auditeurs, c'est ici que se referme le forum d'aujourd'hui pour discuter de la thématique Ramadan et économie. Nous étions avec euh, Oustaz Abdel Fattah Mamoudou, prédicateur. Monsieur Maman Nouri, président de l'Association des défenseurs des droits des consommateurs ADDC Wadata, et Monsieur Soli Abdoulaye, économiste. Merci à vous tous euh, de nous avoir euh, suivis. Prochain rendez-vous demain à 18h15 euh, sur le studio Kalangu à travers nos radios partenaires. Au revoir.